la libre circulation des citoyens des pays membres de la CDAO est encore loin d'être une réalité 40 ans après l'existence du protocole de Dakar qui la prévoit, s'indigne Amadou Boulama directeur du département migration de l'association alternative Espace Citoyen. La CDAO est une forteresse pour ses propres ressortissants, nonobstant les dispositions pertinentes du protocole de Dakar sur la libre circulation des personnes et des biens. Que dit ce protocole Le droit de résidence et d'établissement, le droit de circuler librement dans les États membres de la CDAO. Les États disposent du pouvoir discrétionnaire de refouler ou de refuser l'entrée d'un citoyen membre de la communauté dans son territoire. Il y a des motifs comme troubles aux bonnes mœurs, insécurité, santé publique, etc. Des restrictions qui sont faites. Mais normalement, ces restrictions-là devaient se faire en respectant les obligations des États parce que, comme on dit, les textes euh, supranationaux sont supérieurs aux textes nationaux et on sait que, en la matière, l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme garantit la liberté d'aller et de venir. Mais pour rester dans l'espace communautaire aujourd'hui, si vous voulez franchir une frontière de n'importe quel pays membre de la CDAO, que vous soyez en règle ou non, vous allez être confronté à ce qu'on appelle les pratiques anormales. Cela est dû à quoi À qui la faute Cela est dû à la voracité des agents de l'administration publique dans les différents pays membres qui sont censés normalement garantir l'application des textes mais qui sont devenus leurs violateurs. les chefs d'État ont reçu des rapports qui témoignent de ces tracasseries routières. Mais ils n'agissent pas. Qu'est-ce qui fait justement qu'ils n'agissent pas suffisamment, vous pensez Je pense que c'est l'impunité parce que le policier ou l'agent de force de l'ordre qui se trouve à 1000 km de la capitale, dans des pays aussi vastes par exemple que le Niger, qui dispose de sa carabine à côté, mais il est le chef. Donc il agit selon son numéro et vous aurez des exemples où on va vous dire quand un véhicule quitte l'OME, combien le gars paie pour arriver jusqu'à Niamey. On a l'impression même qu'il y a une sorte d'entente, souvent c'est les chauffeurs ou les convoyeurs qui demande aux gens de mettre un peu d'argent, etc. Et tout cet argent est collecté. On a beau le dire, même ici, chez nous, au Nigeria, il y a plusieurs reportages, y compris dans le quotidien d'État, sur ces pratiques-là. Au niveau de la société civile, on est en train de faire un travail de plaidoyer pour les États-Unis d'Afrique. Regardez aujourd'hui même euh, l'Union européenne, ils ont réussi à faire pour lutter contre euh, les États-Unis d'Amérique. Donc je pense qu'on ne peut pas s'en sortir. Et vous le savez, que l'impérialisme joue sur la politique de diviser pour mieux régner. Et c'est cela qu'on est en train de faire chez nous. Malheureusement, nos chefs d'État ne le comprennent pas.